Nous sommes jeudi 19 décembre 2024, chers auditeurs du studio Kalangu, ravis de vous retrouver pour ce numéro de Le Niger sur Kalangu, une émission co-animée par Fanta Shamsou et moi-même Samira Wafi. Bonjour Fanta, comment tu vas Je vais bien Samira et toi, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. On n'oublie pas aussi euh, de faire coucou à la merveilleuse équipe qui nous accompagne ce matin à la technique, c'est Amina Hassan et Moussa Hassan à l'édition. Dis-moi Samira, quel est le programme de ce matin pour commencer, Fanta, nous allons faire le tour de l'actualité dans le flash d'information et direction Tawa pour le reportage région. Il y aura également du loti, de la culture linguistique et la rubrique hebdomadaire éducation numérique comme chaque jeudi. Et ce matin, dans la partie entretien, nous allons à la découverte du centre de santé intégré de Dambarto dans le département de Cantier avec le responsable de ce, de CSI, Dr Ahmadou Saleh. c'est avec euh, le flash d'information que nous allons ouvrir cette édition. Il nous sera présenté par Nafissa Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Fanta. Bonjour Samira. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le Niger a célébré hier le 66e anniversaire de la République. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État du Niger, le général Abdrahman Chani, a reconnu les difficultés que traverse la population marquée, je cite, par la privation et la vie chère, tout en appelant à poursuivre poursuivre la construction d'un État plus efficace et souverain. Le chef de l'État a indiqué, je cite, Après 66 ans, la bataille pour l'effectivité et l'efficacité de notre État reste entièrement à être menée. Il a souligné que cette réflexion est essentielle pour comprendre la complexité de la situation actuelle du pays et les enjeux liés aux choix politiques récents. Demain 20 décembre s'ouvre la 45e édition du Sabre national dans la région de Dosso. 10 lutteurs par région régions participent à ces compétitions et selon le ministre de la Jeunesse, pour rendre les combats incontestables, fluides mais aussi moins longs et harassants, un nouveau code de la lutte traditionnelle est adopté. Il est composé de 41 articles dont certains à problème ont été systématiquement nettoyés. Par exemple, l'article 18 où la réserve et la réclamation sont formulées par écrit par l'entraîneur plaignant et la durée du combat est également revue. Enfin, à l'international, face à l'intensification de la crise humanitaire au Burkina Faso, le Fonds humanitaire régional de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a alloué 14 millions de dollars américains pour répondre aux exigences urgentes des populations les plus vulnérables. Selon les Nations Unies, cette décision intervient dans un contexte marqué par une augmentation des besoins humanitaires et une baisse préoccupante des financements internationaux et ces fonds permettront de soutenir plus de 300 60 000 personnes, dont environ 210 000 femmes et filles en priorité dans les secteurs critiques tels que la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, la protection, la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que les abris. Et c'est la fin de ce flash d'information. Bonne suite à vous. Merci Nafisa. Je vous en prie. Chers auditeurs, dans un instant, nous allons passer à l'entretien de ce matin où Dr Amadou Saleh, responsable du CSID Humberto de la région de Zender, nous présentera cette institution. Mais avant, nous allons faire un premier tour en musique pour bien vous installer avec le titre Encore mes corps du groupe fédéral Tissi. Biggie diggy dance set. Originality terem diskler sıkıntılarda mersi. Yes man set. Bakça. Şişam. Anifay. Chop, Chop, Hop Hop. sisiri kar alo alo jaha wasi wasi matini ka ne da kana bana sefe sefe de la hai kai mada tunda be sebe la kanda lama de mm, ngwe ya warto wala wara mana to zambagadi do yansi calcula matematica ma moto mo pas aborto un pas sin pas salera ka pembe gumbe honku na kane ka kana kama na kora bumbu ka bei zamani ya ka basina tani nyokol nyokol na be saba za zama yau amanda da alkoro now now al ne ka to ma zoro tulo ma tunu dugo ma tunu bus bus honku na bato kuna ne wono baro kula ka zeke da moto down the flow artiso ah, ma sabone kamba bene oniva shop shop bari barka batini yau cinibira mu kuma kuma hamadai ku bai ni ga kan yau sai wotini dima lam igini talam igini kufa komen foda rumfa karabene karaganda kumfa kumfa banish daynish ti soga tufa zawati din imani kinise bini bini baraga di baraga ma baraga luma baraga di kamana kamana kalama tu balakar kokoti katsa ol mara mara se jango bataga di halerga to yongo nonkane ga di taga tega jobula bedi para manda da beson nimete batisi matsuko gatisa namba unsi ham Fédéral Tissi est un groupe euh, de musique euh, dans les années 2000 connu pour sa fusion de rythmes traditionnels et modernes. Le groupe se distinguait par particulièrement par l'incorporation des proverbes dans leurs chansons, utilisant la, la sagesse populaire transmise de génération en génération à travers les langues locales comme cette fois-ci en Zarma. abakene gabari barakabatulu ho ho ho federo ho kwabo ko bakene gabari barakabatulu ho ho ho federo ho bana bakafana na basise fole da wadala fo sise pete bana jaba saka gaba gaba kajiko ya wazana bobo gaba kafana ya bana wasa kuma bade daga na bana fili zada baka amsa rapa dan sansa da kuma abuka gadafa gabaza gadafa gabaza gadafa gabaza mobiya gabo masisir kar microphone checker Voilà, chers auditeurs, après cette première balade en musique, il est temps de passer à l'entretien du jour. Et dans cette première partie, Dr Amadou Saleh nous dresse la situation du CSI de Il nous parle aussi de la situation du paludisme qui est plus ou moins euh, éradiqué euh, dans cette commune. Le CSI d'Ambarto, c'est un CSI de type 2. Donc, euh, c'est un CSI qui comporte un service euh, des tri, c'est-à-dire là où on accueille tous les malades, un service de maternité, un service de vaccination des routines, communément appelé PEP de routine, où on fait les vaccins contre les maladies épidémiologiques. Euh, donc, euh, généralement, ce qui nous cause des problèmes par rapport aux épidémies, comme exemple la méningite et la rougeole. C'est des maladies épidémiologiques qui sont très très fréquentes. <coughs> Donc nous avons aussi un service de maternité donc, qui prend en charge euh, tout ce qui est consultation prénatale, c'est-à-dire les femmes enceintes, jusqu'à leur accouchement et les suivis post-accouchement. Mhm. donc nous avons un bloc, ce bloc-là, c'est pour faire la mise en observation de tous les malades qui en ont besoin. En tout cas, si un malade vient un état gravataire, on est obligé de le suivre pendant 48 à 72 heures mhm. voir son état. Donc si c'est quelque chose qu'on peut gérer, on continue à les prendre en charge. Si c'est quelque chose qui dépasse notre compétence, nous référons à un niveau supérieur. Donc il y a aussi un service à CRENAS, là où on prend les enfants mal nourris et les femmes enceintes mal nourries. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire par rapport euh, au service. si il couvre quelle localité Donc, euh, le CSI d'Amborto a jusqu'à quatre cases de santé qui sont rattachées. Donc il y a la case de santé de Goulka, il y a la case de santé de Bakroni, qui d'ailleurs, bientôt nous sommes dans un processus de transformation en CSI. Bakroni, c'est à quelques 8 à 9 km c'est le goudron. Mhm. Et il y a la case de santé de Zakrawa, qui est située à plus de 15 km. Il y a aussi la case de santé de Rungi qui est située à plus de 15 km aussi. Donc ces cases de santé nous aident vraiment à prendre en charge les malades, donc euh, à réduire aussi les déplacements des malades vers ces ici là C'est seulement les cas qui les dépassent qu'ils aussi les réfèrent vers nous. Et donc euh, les CIC de Damporto couvrent jusqu'à 47 315 comme population totale. Quelles sont les maladies qui sont fréquentes en cette période Donc en cette période, c'est surtout les pneumonies. Mais d'abord, il faut que je les notifie ici. C'est un endroit qui est endémique du paludisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps pour les paludisme. qu'il soit pendant la campagne hivernale, qu'il soit pendant la saison froide ou la saison chaude. Toujours, il y a le paludisme ici. Donc, cela peut être expliqué par la présence des cours d'eau permanentes qui sont là, qui nous entourent ici à Dambartan. donc, vraiment, le paludisme, c'est une maladie qui nous cause beaucoup de soucis, bien que CRS fait de son mieux chaque année. CRS prend jusqu'à 4 mois pour faire euh, une campagne euh, de prévention saisonnière. En tout cas, pour réduire un peu le paludisme, c'est les enfants de 0 à 5 ans. Mais malgré tout, nous assistons vraiment à une euh, augmentation des cas du paludisme. Est-ce que vous avez quelques chiffres à partager par rapport au paludisme Dans le mois d'août à septembre, nous avons constaté un pic qui a dépassé même celui de 2023. Mhm. Vous voyez la comparaison. Donc euh, en septembre, on a eu jusqu'à 1080 cas dans le mois septembre 2024 ah, Donc comparativement à euh, septembre 2023, on a jusqu'à 1030 cas. Donc il y a une légère augmentation par rapport à l'année 2024. Donc vraiment, le paludisme, c'est malgré les efforts des autorités. Et nous demandons, si possible, euh, à ce qu'on nous appuie mm-hmm. par rapport à l'élimination de ces fléaux. Déjà, nous avons lancé eh, quelques activités avec la mairie parce que nous avons constaté que c'est une ville qui est très sale. L'administratrice déléguée a déjà pris conscience de cela et a commencé à mener des activités de salubrité afin de rendre la ville propre. Peut-être cela peut nous permettre de réduire le nombre de cas de paludisme. Je vous ai dit que l'État a fait vraiment beaucoup d'efforts. Je vous ai cité premièrement la distribution des médicaments appelés AQSP qui permettra en tout cas de protéger l'enfant pendant 4 semaines et jusqu'à la prochaine euh, dose qu'on va lui donner. On a fait jusqu'à 4 passages. Et on a fait aussi la distribution des moustiquaires imprégnés. Si la population en tout cas dorme sous ces moustiquaires-là, nous nous espérons que même s'il y a des cas de paludisme, ça serait minime. Mais nous constatons que vraiment ce n'est pas le cas. C'était euh, le docteur Ahmadou Saleh euh, au micro de Fanta Shamsou. Avant de continuer cet entretien, chers auditeurs, marquons une pause pour écouter le titre Le meilleur de toi du groupe Enyonem. Eh, eh, eh, le meilleur de nous chanson phare du groupe de rap Enyonem, un collectif musical engagé et talentueux à leur temps. Ce morceau euh, se distingue par son message incitant chaque individu à donner le meilleur de lui-même, quelles que soient les difficultés rencontrées. La chanson Donne le meilleur de toi s'adresse directement à la jeunesse, mais aussi à toute la population, toute génération confondue, les encourageant à croire à leur capacité à ne jamais abandonner, même face aux obstacles. 绿草坡。 Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, poursuivons avec euh, la deuxième partie de l'entretien du jour. Cette fois-ci, Dr Ahmadou Saleh nous parle de la fréquentation du CSI, du taux des consultations prénatales, des accouchements assistés et du fonctionnement de l'école des maris. Et c'est toujours au micro de Fanta Chamson. Et par rapport la, à la fréquentation du CSI La fréquentation du CSI, je dirais que par rapport à notre population, euh, le CSI est moins fréquenté moins fréquentés Parce que au minimum, nous devrons avoir 1000 euh, consultants par mois. Difficilement, nous arrivons à avoir 700, des fois 650, 700 par mois, y compris les moins de 5 ans. Quand je parle de moins de 5 ans, c'est-à-dire les consultants qui ne payent rien. Et normalement, y compris avec les moins de 5 ans, je devrais avoir au moins 10 000 personnes. Et euh, par rapport à la maternité, aux consultations prénatales et... par rapport à la consultation prénatale accouchement, c'est pourquoi j'ai amené les supports. Donc, euh, vu la densité de la population, je dirais que beaucoup reste à faire. Les femmes qui viennent se faire consulter ici euh, sont très minimes. Parce que quand je prends la consultation prénatale, nous devrons avoir euh, euh, jusqu'à 204 accouchements par mois. Donc normalement, ces 204 femmes-là doivent venir ici pour faire la consultation prénatale. Mais difficilement, nous arrivons à avoir 60 femmes, 55. Ça varie entre 60 euh, à 70. La moyenne, c'est 60. Donc, ce qui me permettra de dire, selon toute analyse faite, que les restes des femmes là, accouchent à la maison. Et est-ce que le, CSI mène des activités pour pallier à cela chaque fois, nous menons des activités, parce que la principale activité que nous menons, euh, c'est la sensibilisation. Et nous sensibilisons les femmes ici, lors de la CPNR, comme communément appelée constatation prénatale recentrée, et nous faisons des sorties régulières pour pouvoir sensibiliser les femmes pour qu'elle puisse comprendre l'importance de cette consultation prénatale et aussi l'importance de l'accouchement dans une formation sanitaire. Et vous avez des relais Eh oui, nous avons à peu près 60 relais ici à Dambato. En dehors des relais, nous avons aussi 8 écoles de Marie. Voilà, justement, l'école de Marie, comment elle fonctionne et... Euh, Donc, euh, l'école de Marie, c'est une école euh, <coughs> qui a été mise, en tout cas, au repos un moment, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Mais récemment, il y a Kulawa qui a commencé à les mettre en activité. Donc les écoles de mari, euh, selon l'histoire que j'ai lue ici, euh, c'est des gens qui sont utilisés pour mener la sensibilisation de village en village et faire comprendre aux hommes eux-mêmes, comme le nom l'indique, aux maris des femmes, de faire tout pour amener leurs femmes dans des formations sanitaires, non seulement pour faire la constatation prénatale, mhm. mais en plus pour faire euh, l'accouchement des informations sanitaire et procéder à la fin de l'accouchement aussi à la planification familiale qu'on appelle PF immédiat. Et est-ce qu'ils il participent que, Comment vous les mobilisez et tout ça Donc, ce euh, c'est pas la participation qui manque. Quand on part dans les villages, la population vient écouter. Mais nous, c'est les résultats qu'on ne voit pas concrètement. Est-ce que les résultats, c'est ici ici. Mais quand nous partons là-bas, nous prenons des images, on a l'impression que tout le village est venu nous écouter pour écouter ce que nous avons amené comme message. C'est l'implication. Et effectivement, nous impliquons toutes les autorités communales mm-hmm. et aussi les différents leaders, qu'ils soient marabouts, les chefs de village, pour que nous puissions avoir de bons résultats. Et, comment ça se passe en fait que vous mobilisez la population ou bien c'est lors des grands rassemblements que non, Non, euh, c'est pourquoi j'ai voulu vous prendre l'exemple de l'année 2023 mhm, avec Kulawa, donc à travers Fassali. Donc euh, nous avons euh, rencontré jusqu'à 4 à 5 villages comme ça et nous donnons des informations avant même d'aller. Nous les informons en amont avant d'aller dans ces villages. Donc et nous avons eu à nous entretenir avec eux. Par rapport à l'accouchement assisté, la plupart des femmes, ce qu'elles ont avancé, c'est que c'est leur mari qui ne les soutiennent pas pour aller dans les formations sanitaires. Parce qu'il y a d'autres qui ont même avancé, soit disant que même les frais des Cap Cabo pour les transporter amener dans la formation sanitaire, leur mari refuse de donner. Donc c'est pourquoi des fois ils sont obligés de rester à la maison. À plus forte raison, la consultation prénatale récentrée qu'il faut faire, en tout cas à partir de deux mois et demi. Chaque mois, il faut venir. Mm. Et à partir de huit mois, donc on souhaiterait à que chaque deux semaines, qu'on rapproche les consultations prénatales afin que quand il y a un problème, que ça ne passe pas passe inaperçu. Il faut mm-hmm. qu'on les détecte rapidement et prendre des solutions afin que la femme ne souffre pas de ces complications. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et place à, présent à la rubrique éducation numérique de ce matin. Nous allons parler des TikTok qui fait face à une nouvelle défaite aux États-Unis. Oui, TikTok, euh, ce réseau social très populaire, euh, surtout chez les jeunes, pourrait être euh, banni aux États-Unis à partir du 19 janvier 2025. Mais pourquoi un tel bannissement et qu'a décidé la justice américaine cette semaine Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Ousmane. Il est rédacteur en chef adjoint au numérique au studio Kalangu. Bonjour Ousmane. Bonjour Fanta, bonjour Samira et bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour Ousmane. Alors pourquoi les États-Unis veulent-ils bannir TikTok alors, tout cela tourne autour euh, de la sécurité nationale et des tensions entre les États-Unis et la Chine. Alors, TikTok appartient à une entreprise chinoise qui s'appelle euh, ByteDance et le gouvernement américain craint que les données des utilisateurs soient exploitées par la Chine. Pour limiter ce risque, le Congrès américain a voté une loi exigeant que ByteDance euh, donc vende TikTok à une entreprise américaine pour que les données soient stockées sur le territoire américain. Sinon, le réseau social sera interdit aux États-Unis. Et TikTok a tenté de bloquer cette décision, c'est bien ça Oui, exactement. Alors la semaine dernière, TikTok a demandé à la justice une injection en urgence. Cela aurait permis de suspendre de façon temporaire l'application de la loi, en attendant que la Cour suprême examine le, dossier. TikTok espérait euh, aussi profiter de ce délai pour clarifier la position de l'administration euh, Trump qui arrive bientôt au pouvoir puisque Donald Trump prendra ses fonctions euh, le 20 janvier. Mais la justice a rejeté cette demande. Et pourquoi la justice a-t-elle refusé cette demande Alors, la justice estime que TikTok n'a pas apporté d'arguments suffisants pour justifier une suspension de la loi. Selon elle, la loi votée par le Congrès respecte les exigences constitutionnelles des États-Unis, notamment celle du euh, premier amendement qui garantit la liberté d'expression. La justice a également souligné qu'il n'existe pas de précédent où une telle loi aurait été suspendue dans l'attente d'un recours devant la Cour suprême. Donc, euh, sauf retournement de situation, TikTok serait bel et bien interdit aux États-Unis à partir du 19 janvier Oui, tout à fait. Si rien ne change d'ici là, TikTok devra cesser ses activités aux États-Unis. Cela signifie que les 170 millions d'utilisateurs américains ne pourront plus accéder à l'application. Mais TikTok avance aussi des arguments économiques, n'est-ce pas oui, TikTok a souligné que ce bannissement aurait un impact euh, économique considérable. L'entreprise affirme que rien qu'en janvier, les PME perdraient environ 1 milliard de dollars et les créateurs de contenu 300 millions de dollars. Rien qu'en 2023, la publicité, le marketing et la portée organique de TikTok ont contribué à hauteur de 24 milliards de dollars dans l'économie américaine. Et cette décision pourrait aussi avoir quelques conséquences au Niger, même s'il n'y a pas beaucoup d'études à ce propos, parce qu'on ne sait pas combien de Nigériens en fait ont créé des comptes TikTok aux États-Unis, puisque les influenceurs nigériens, en fait, on sait que beaucoup d'entre eux créent leur compte à partir des États-Unis justement à cause de la monétisation qui n'est pas disponible au Niger. Donc, ils pourraient aussi être impactés dans une certaine mesure. Donc, ce bannissement n'affectera pas seulement les utilisateurs, mais aussi des milliers d'entreprises et de créateurs qui dépendent de TikTok pour leur activité. Oui, donc. Euh, et c'est bien pour cela que TikTok continue de se battre mais le temps presse. Merci beaucoup Ousmane pour ces explications. Nous suivrons de près l'évolution de cette affaire et rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle plongée dans l'univers du numérique. À bientôt. À la semaine prochaine. Voilà, que de la vieille école dans notre playlist d'aujourd'hui. Nous allons faire encore un autre tour à musique, cette fois-ci avec le titre Ray d'un du groupe Guillotine. Densol est un titre du groupe Guillotine qui fusionne habilement les sonorités du dancehall avec des influences musicales orientales, créant ainsi une ambiance unique. Ce morceau fait partie de l'évolution musicale du groupe connu pour sa capacité à mélanger des styles et des cultures variées dans une même composition et c'était il y a 14 ans déjà. C'était Redon Sol du groupe Guillotine. Passons à présent au reportage d'aujourd'hui et nous allons faire un tour à Tawa où le syndicat des gros porteurs de cette région exprime son mécontentement d'être exclu lors de l'achèvement des livraisons des grandes quantités de produits achetés par l'État du Niger à l'étranger. À titre illustratif, quand les autorités ont acheté le riz pour la vente à prix modéré, ils n'ont pas été associés. Écoutons le reportage de Idrissa Adamou. Ƙungiyar masu manyan motocin ɗaukar kaya ta jima tana koki akan cewar gwamnatin ƙasar tamu ta Nijar na ware ta a duk lokacin da ya kamata a ce an dama da su musamman idan aka yi odar kaya daga ƙasashen waje domin shigowa da su a cikin ƙasar tamu ta Nijar. A wannan jikon da aka sake odar shinkafa ko an kai ga yin kira a gare su Alhaji Abdulrahman Abdulwahabu shugaban ƙungiyar masu motocin ɗaukar kaya na jihar Tawa ya ba da amsa kamar haka. To gaskiya Allah wannan magana har yanzu ba mu samu canji ba wajen bangare wannan saboda yana da kyau a ce gwamnati ta wayo mu inda duk ya kasance akwai inda za a kai kaya ta hanyar ta fannin gwamnati a kirawo kungiyoyi na masu motoci a sa wannan aiki hannuwansu saboda su sun kasan kabli da ba'adi na wannan aiki. wani kuskure kuke ganin an tabka wajen bada kwangilar inda muka ganin kuskure ma kaman tun da wurin bada kwangila ta sayan kaya sai a ba mutum kwangila da transport ma gaba alhali muna ganin ya kamata a ce kwangila an ka ba mutum ya siyi kaya ya ci ga inda kaya suke zo ya faɗa ma kungiya ta transport a yi firi a kirawo motoci duka na transporter kowa ya zo ya rubuta layi motoci su ɗauko kaya da kima su kawo ganin ana ta shigo da shinkafar da gwamnati gwamnatin kasar tam ta nijar ta yi oda daga kasashen waje ko an suma damawa da ku farashin ɗauko kayayyakin ya gamsar da ku daga bisani waɗanne matsaloli ake iya karo da su. Wala dai babu ɗaya rana wanda gwamnati ta taba ko wani ɗan kwangilar da an ka ba ko gwamnati sun ka kere mu cewa ga kaya a zuwa a ɗoku a kawo daga wani wuri zuwa wani wuri saboda suna ganin kaman in sun ka kere mu za a tsaya a yi firi wanda ya kamata wanda kuma ka amfanin transporter. Abin da shiki yanzu haka kaya na can jibgi waɗanda an ba kwangila sun ka siyo daga kwatonu sun ka kawo bakin ruwa sun ka ɗoko kwalo kalu haya an ka ketaro musu da kaya yanzu an kere mu an kace mana ga kaya mu doka sun kuwa faɗa mana farashi mun gani farashi bai ba kenan tun daga wurin farashi ban fahimci juna ba sa'annan na biyu daga farko da motocin mu sun ka dauko kayan nan da an ka zaka duwan waɗansu kwanan su takwas takwas tsaye da kaya waɗansu kwanan su goma sha biyu sai a ce matsala daga duwan na take a ce matsala daga opv na babu wuri kaga shi ku mai mota bai iya hankuri wannan saboda in ka zaka ka garan motar mutum kaman kwana kwana takwas ko kwana goma sha biyu kamar mutum na shi yana da shago ka zo ka liƙe mai shago ne in ka liƙe shago kwato sayan kaya iska shago ruhi shi na sayan kaya kila bai sayan kaya. wacce bukata kuke da ita zuwa ga gwamnati a duk lokacin da irin wannan damar ta samu. yana da kyau mai mota abin da an rubuce bisa ga dokoki na transport wanda eh, transporter eh, sun kashe hida kuma gwamnati ta samu sanu ta san da su inda duk a mutum ya zo maka kaya daga wani gari zakkuwa kuwa wani gari inda an ka zaka duwan to misali a ce mota ta zaka ra vendredi a kenan ko to a babu lissahi asabar babu lisahi lahadi ma babu lisahi landi ma babu lisahi dan landi na an ranar da shi mai kaya zai hidda eh kayan shi a takardu shi auna kayan shi ta da duwan mardi sai ya sabke kaya to in bai sabke mardi ba dan ran nan mota za a fara lisahi duk ini in ya farko ka 20 ini na biyu ka 40 a yanzu za a fara kwantan ka 40 40 40 an kai gaba ma in kwanaki na karuwa za a ƙara lilinka ka kuɗi kaga waɗanga dukoki duka ba duka masu kaya sun kusan da waɗanga dukoki shi yasa kullum aka samu sabani tsakanin masu kaya kullum sai ai garrama an zo wajen mu ana maganar matsaloli yanzu kuma da an karasa rasa motoci sai ana ɗauko ana zo motocin ƙasar waje alhali kuma doka ta tuka e kasashen Afirka babu wanda ya rida bakon mota ta ɗauki kaya cikin ƙasa ta kuma ta aje cikin ƙasa ta sai dai ta ɗauko daga ƙasar ta ta kawo in za ta ɗauka ma ta ta yi ƙasar ta sai in mota ƙasa ba ta da bukata eh muna son gwamnati ta ribi aikin nan da kima ta shigo aljihu ciki a gyara aiki na transfer in ba za ba dan kwangila kwangila a bashi kwangila baki iya kawo wuri ka zashi aji aikin transfer ba nashi na ba akwai bukatar hukumomin kasar ta ta Nijar su dinga amfanar da masu motocin ɗaukar kaya musamman 'yan kasar tare da shahi musu hawayensu na tun wani lokaci Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et place à la page sport de l'émission Le Niger sur Kalangu avec notre chroniqueur du jour, Gourouza Sumikarimou. Bonjour Gourouza. Bonjour Fanta, bonjour Mira. Bonjour. Bonjour. Alors, Grouza, le sélectionneur du MENA a prime a dévoilé hier soir la liste des joueurs locaux en charge de défendre les couleurs du Niger au Chan. Oui, Fanta a indiqué que ces joueurs seront à mesure d'arracher la qualification pour le prochain championnat d'Afrique des Nations Chan face aux éperviers locaux du Togo. Le MENA tentera donc de s'imposer face à son adversaire chez lui devant son public. Tous les regards seront rivés vers cette double confrontation déterminante pour l'avenir du foot euh, local sur la scène africaine. Les deux rencontres vont se jouer les 22-27 décembre 2024. Gogoza poursuit à Accra du tournoi de football B féminin U17. le MENA national U17 participe à cette compétition sans succès. Deux matchs, deux défaites 9 buts à 0 devant le Nigeria, 5 buts à 0 face à la Côte d'Ivoire. Au classement dans la poule A, le Ghana occupe la première place avec 6 euh, points. Le Bénin deuxième avec 0 points. Le Burkina Faso a désisté. Dans la poule B, le Nigeria occupe la première place avec 6 euh, points. Devant la Côte d'Ivoire deuxième avec 3 points et le Niger troisième 0 points. Les demi-finales se jouent aujourd'hui même entre le Ghana face à la Côte d'Ivoire. Le Nigeria affrontera le Bénin. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gogoza pour toutes ces informations et à bientôt. Merci. Chers auditeurs, poursuivons cette émission avec la rubrique Portrait. Et dans le portrait d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Ramatoulaye Kombari, une jeune fille d'Agadez qui mène plusieurs activités. Depuis dix ans, elle milite pour les droits des filles. Son objectif, voir la jeunesse d'Agadez émerger, surtout sur le plan financier. Son portrait avec Habibou Garba. Âgée de 28 ans, Saint-Clair, Ramatoulaye est une jeune femme qui milite pour la cause de la jeune fille dans la commune d'Agadez. Outre sa profession d'enseignante. Elle est vice-présidente du conseil communal des jeunes d'Agadez. La jeune fille possède également un restaurant. Elle nous explique comment elle arrive à gérer ses activités. Avant, c'était très difficile pour moi. n'arrive pas à dormir, les préparations, tout ça, la région, de débuts. Mais maintenant, je m'en sors vraiment très bien. Je vois que si tu t'aimais dans la vie, rien n'est impossible. Bon, il y a des collaborateurs qui m'aident, il y a la famille qui m'aide, il y a des connaissances qui m'aident. Je suis entouré de bonnes personnes vraiment qui m'aident à compléter tout ce qui doit se faire. Son combat est de servir de modèle aux jeunes de la région. Aujourd'hui, elle joint les débuts et subvient aux besoins d'autres membres de sa famille par rapport à moi, je suis entrepreneur, donc j'ai mon restaurant. Je me débrouille pas mal, je cherche le marché, des postes café, tout ça là et j'aide beaucoup vraiment les gens nécessités. Pour Abdul Hakima, le premier vice-président du conseil communal la jeunes d'Agadez, un seul mot, régime Ramatoulaye engagement. On écoute. Vraiment, c'est une euh, femme très engagée en question de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Ramotoulaye, c'est vraiment une euh, femme très battante. Ici à Agadez, elle est vraiment très très courageuse et elle fait partie du conseil communal dont elle est la deuxième vice-présidente du conseil communal. Le défi que la jeune Ramatoulaye contre relever, c'est de booster les filles à entreprendre et surtout à garder leur dignité. Moi, je préfère travailler pour avoir mon propre argent. Parce que vraiment, moi, je vois, c'est la fierté, c'est la dignité. Que tu vas venir vraiment t'abaisser, dire de mourir, causer avec la personne, même si tu l'aimes pas. Donc, vraiment, les filles, sortez pour chercher. Elle ajoute que l'entrepreneuriat figure parmi les clés de la réussite pour les jeunes filles. Voilà, c'était le portrait du jour euh, réalisé par Habib Garba. Dernier tour en musique avec cette musique qui nous vient de Zender. Le titre Soyeya de Benji et Rabé Megurumi. Si ce tu viens, tu bouges ton corps. Phénoménal, MC, radical, Benji, toi-même tu sais, c'est de la bombe. Mais ben, si ce tu viens, tu bouges ton corps. Oh, Gawar Wa, Idan Gana Hanawa, na Hanawa. Ma mère fait boum boum boum, Béa, oh, Lady Guerre, mon amour, maïloba Dans cette vie d'amour, soyeya, je pense à toi, ma chérie maïloba Oh, yo, j'ai n'a gagné, Gideon, ina jin daɗi kamar wata sallah soyayya mun kirbe bum bum bum beya ole digiyar mu na munu mai loba wasa ba fada bane ba kai yaro ya zagi babba duniya tabawa ka san wani ne ba zai taba ba wata ran da ake yi wata rana ba da mu ba za ko mun na gambo ko tsuha ya ishe mu ai tilas mu bar ma yara ila mata gurmi ko ta zaka Yarasta for one plus. فعل الزمان قال لك ساتير ابكر الرجل ملاذ ابكر ile katis yarinya mai kyau ka gani kana so a ce ba a baka wata ran za a baka kira musu gurmi za su baka yadda kira musu gurmi ko sun yi da kai kira musu gurmi ko ta su baka yadda wata ran za su baka yadda ba su baka wata ran za su baka yarinya mai kyau ka gani kana so a ce ba su baka kira musu gurmi wata ran za su baka kira musu gurmi ko sun yi da kai ka bani gurmi kira musu gurmi ko sun baka yadda mon cœur fait bombe

écoutons les sages conseils de l'équipe femme du studio Kalango qui nous parle aujourd'hui de l'importance de la carte d'identité pour un citoyen. En effet, Samira, cette pièce d'état civil instituée par la loi est non seulement obligatoire pour tout citoyen, mais surtout nécessaire dans la vie active euh, de ces derniers. N'est-ce pas, Rekia Arimi et toi-même, Samira Rouafi? matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji kalale yar uwata kina lahiya ya ne ya hanya ina fatan dai kin kamo na wasu abubuwa ko ke ki kara mini haushi kin shi ko yau ban zo da shi ba Allah ya baki hankuri me ya faru wa ya sa ki cikin wannan halin ko ko Muhammad ne da ki gani waje bisa kan majalisa hm, inda ma shi ne bari in aje kayana in huta sannan in baki labari kaɗan to am shiga ruwa ki to gaya mini me ya faru ina son in ji abun da ya saki cikin wannan halin duk ke bi kanki duk ya biya ɓaci in na haɗe miki abin da ya same mu kan hanya daga ƙauye zuwa nan ya mai ba kya yarda ba. A kan kowane iyakar gari, na ce miki sai an sabke mu, an tsaida mu. Abin bai birge mu ba ko kaɗan, wanda ya sa kenan muka yi latti. A'a, dan me yasa ake jida ku daga mota kuma a maida ku? Ko ko kun kwaso sayan ƙwaya ne cikin mota? Hmm, a'a, wai kawai dan saboda cikinmu wasu ba su da katin ɗan ƙasa wanda ake ce ma karti didantite. Hei ka ce dole ne ka yi shi haba ke ko yar uwata ai wa'anda sun ka da ku suna da gaskiya tun da ke ga kun keta doka ai ai katin zama ɗan ƙasa dole ne kowane ɗan ƙasa ya yi ta inda ya kai shekara goma sha takwas wannan shine ke sa a san ko wane ne kuma a samu a kare shi don ba a sani ba abin da ke iya faruwa kariya kariya da mi kuma da wa cikin ƙasa ta fa nike wani irin abu ne zai same ni gaskiya ni dai in haka nan ne ko ba na sake zuwa birnin nan ba can ta matse miki in kina son ki zo in kina son ki zauna can cikin wannan sulurin ƙauyen naku amma ina son ki san da wani abu katin ɗan ƙasa abu ne da ke gwadin da kai ɗan ƙasan ne kuma an aza shi tun bisa kan dokar da ta wuto rana tara ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu amma wallafa shi bisa kan jaridar ƙasa mai lamba goma sha tara na ranar ɗaya ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu ke shahamun lahiya kin shigo kiri kika san komi in dai bisa kai ga ki ne kam na san abubuwa da yawa to tsada in gaya miki kin ga katin dan kasa tun da baki iya yawo da takarda ki wannan sauki ne da an kan muku abun da bisa takarda aihuwarki shi dai ne ake rubuta bisa kan katin dan kasa don ki samu ki yawo cikin kwanciyar hankali kuma ki gani cikin wannan rashin samun kwanciyar hankalin da muke ciki kuma har ma wajajen ku babu kwanciyar hankali kina iya shiga cikin wani hali da baya da kyau kuma ke ga yanzu fa ana zargin cewa mata da su ake kulla baki ana yin masiba kai kai kai kai subhanallahi Allah ya tsare mu kuma in wani abu ya same ki wani hatsari ko wani abu bani fatan shi amma in kina da katin ɗan kasa ki tare da ke wannan zai sa a san ko ke wace ce kuma ke ga ana rubuta lamba saman katin sai a gaya ma yan uwanki kenan haka ne yin wa'annan takardun yana da muhimmanci abin bai taɓa zuwa mini a kaina ba To, kin gani kina da shekara goma sha tara. In kina son ki ta ki ɗauko wani sako, ba ki iya yin shi in dai ba ki da katin. Kuma yanzu ga harkokin aike-aiken kuɗi aika a ɗauko maka ko aika ka aika ma wani da kuma harkokin banki dole sai da kati. Ke dai bari, kin gama komi, ai na gane duka. Daga na koma ƙauyenmu zan yi wannan katin domin in samu in yi bulaguro a cikin kwanciyar hankali. Ke, balle kuma ke ma ba kya samu damar cewa ba ba kya aiko mini wani abu ba dan ban ne da kati a gaskiya ina baki kwarin gwiwa ai dai zancen kuɗi ne nan da nan kike fahimtar abu ha na gane fa <laughs> ba ni ruwan nan ki ga in sha amshi chers auditeurs, c'était le loti d'aujourd'hui qui nous parle de l'importance de la carte d'identité pour un citoyen. Et dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Ali Niali pour l'explication du mot République en Fulfulde. Bonjour Niali. Bonjour Fanta. Comme euh, vous l'avez si bien indiqué, notre euh, mot du jour pour la culture linguistique de ce jeudi 19 décembre 2024 et la République. Mhm. Ce mot, bien sûr, a été expliqué en français, en anglais, en fulfulde. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'expliquer. Mais je profite de l'occasion aussi pour dire bonjour à nos chers auditeurs et auditrices qui nous écoutent euh, sur Niger sur Kalangou bandiraɓe barkinaɓe hettinaniɓe sigilaji studio kalangu e sigilaji niger sur kalangu kori jam weeti e moɗon hande nantinde alkamis o endani kongi nder francire kongol meɗen nder francire gol nantinten kan woni république nder muɗum duni mbiya mana muɗum e fulfulde enen mbawi nantinde kan woni leydi tawede no jodi dow jonde hoore muɗum no wodi Kerry muɗum no andi duni fa hande no wodi lilewol muɗum e ko nandi titta miccantinen ni ko hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e nayi ɗi enden ni sappo e jeetati lewru décembre du enɗan ni nder mum noon ɗum waɗi batu ñalowma o enɗan gam teddinde ñalade nde enɗan e miccitade e wakkati duni fa hande ɗum waɗuno woteji goɗon wi e non Gan andude nde leydi meɗen and ni no hani heɓude hoore na iɗi hani jokkade leyɗe france ɗe enɗan e leyɗe takkiɗe nder majjum duni fa ko république o enɗan ni ko mana mudun ko waɗana ni wakkati muɗum ni no tindinore talkuru maral leydi ko wiyete constitution nder faransire de enden wakkati muɗum ɗum waɗi muɗum amma bani ko dewtere enden ni windano de windakano nder wakkati mo hanuno de winde de enden nden daari du e hannden en tawa kana e république jeɗɗaɓo tenne hano talkuru maral jeɗɗaɓal leydi meɗen nder mum noon tawaɗen fadde sogeji ƴeñude laamu ngu enden en gi'i duke fa hannden république o enden ni nder mum jippaki laamu demokrasi fu ko waɗa kan Republik no wi'e no jukki e laamu démocratie laamu démocratie du fuu jippinamu nder majjum ɗum winda dewtere maral leydi di anda se ɗum hokka lamba wi'ude république o anda république ɗiɗaɓo république tataɓo république fa hande ni jeɗɗaɓo nder raɓɓinol haala ɗum min mbawi famtinde ɗo kongol république go anda min e studio kalangu e niger sur voilà tout pour aujourd'hui Merci Nyali. Chers euh, auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou bien comme maintenant en fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ngana ga hangan da bayan ne wa dokoro di du hankari ga ba ara matontani se lokacin kai gino alhabaro din radio kalangu radio no kanga borno alhabaru haikul kante radio kalangu ni agake labora aga hima ara mutonten irse lokaco kan aga labaru no haden ga kane si gomo zama radio no kanga borno baru kan manci tare wanno cimi wanno hankante labora no ga chini si radio kalangu radio kalangu radio no kan il bayan nango eh il ko matimo il go ga hangan da bayan irga bara mutonten irse lokaci kan aga labaru no aban na kawo bakar ahmed da zango nirmaniya gaskiya ni ke misali zuwa na tizara da na sassale a radio a studio kalangun hi sallah wasu da yanta da ya zage wayewa kullum nara ta wanda ta gini sallah na gara zana na wulle wulle to ni kini zara ta na garro sallah na zuwa karhe biyar da daga stuwar ta shatan nerfi to in ta daga na garro sallah kullum wanda wannan masu wannan madal kullum wannan fayin na madal to waje gawar tilana gwamnati na kalistiriyar kalangun kazan da kazan da mara sun sallah rawada wara de wana studio kolongu den tamara da yasa sagirna da tawansa sortin nigara agala kunna inda je kullar ta gawa ya komi da komi gran ta jala nigara ta ya kasa gidan bayar na ta ya makan da ayo kolon kullu de da san sallo marra gaskiya ni kinar ta ya gani burgiya wulle wulle wanda studio kolongu da salon kullu wannan mas ne wannan skar ne wannan mas ne wannan magara wannan mas na kullu de da tan nigaro nigaro sa sigriya masa yan fana wulle wulle insha Allah ratmaratna Allah gaskiya radio studio kalangu ne kini gaskiya na can fani silzira ne tulle wulle sale zadan ne sallin suna na saga malam sani mai kasat dalibin jami'a mazaunin birnin kwanni abinda muke kira da studio kalangu ko muke fata a wannan sabon shekara game da tsarin da muke so su kara gare mu masu sauraron su muna son su hiddo wasu shirye-shirye bisa wanda ya shahi kara ma matasa waye musu kai game da shaye-shaye game da harkar dabanci game da shiga kungiyoyi na mafiya da sauransu wannan shirin muna son studio kalangu ta yada shi tunda studio ne wanda ko ina ana jin cikin kasar Niger kenan shi na da unhwani a ce wannan tsarin shigo da shi game da kuma ci gaba na daya mata rage yin karuwanci rage yin shaye-shaye shaye-shaye wanda ke kai su zuwa da halaka duka wannan shiri ne wanda muke son da kalungu a ce ta ƙi kuwa game da wayin matasa ta generation ce wadda ta yi yawa ta matasa kuma hawa bisa abin da shahi gida siyasa ko kuma abin da shahi kiwon lahiya to muna so a ce akwai shiri na musamman kuma mu matasa muna so su da kalungu a koda yaushe kuma muna ƙara jinjina musu da ayyukan da suke yi kuma muna godiya saboda matasa su ne kashin gadon bayan al'umma kenan komai za a yi da matasa akan shi kenan muna son su gane matasan nan su ne manyan gobe Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. le groupe choc. Aya baya bate bate. Vous êtes chaud Aya baya bate bate. ashe yaro gudu ya koya shi ba san inda zai labe ba ku mu tare da haske yin sauti ne mai armashi haya baya kake bace haya baya kake bace in ke ce ma king tus haya sunshida kin yi cus wai kin zama karya mai ba ma kowa haya baya haya baya na ce haya baya ba ke ba ce haya baya haya ba ke ba ce ike ce ma kin yi cus haya baya haya ba ke ba ce Girgiza gindi in gani ya bai kama ki ba sai tus girgiza gindi in gani sai kuma ralla dan ya bai kama ki sai kuma ralla dan ya bai kama ki ba chers auditeurs, c'est sur cette ambiance de Sania Boussa que nous allons nous dire au revoir dans cette émission. Vous étiez en compagnie de Samira Rafi et moi-même Fanta Chamsou. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, nous avons Amina Hassan et Moussa Hassan étaient à l'édition. Restez à l'écoute pour le second programme à partir de 17h. Très bon après-midi à tous.